Fidèles auditeurs et téléspectateurs euh, des programmes euh, du studio Kalango, bonsoir et bienvenue dans votre numéro de forum euh, de ce soir qui porte sur le thème le mariage des enfants, comment prévenir la pratique au Niger. Selon l'article 1er de la Convention internationale des droits de l'enfant, un enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la loi nationale accorde la majorité plus tôt. Ainsi, tout mariage impliquant un garçon ou une fille de moins de 18 ans peut être appelé mariage des enfants et selon le document intitulé Le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNICEF paru en septembre 2018, le Niger est le pays ayant le plus grand taux de mariage des enfants dans le monde. Selon toujours ce document de l'UNICEF, le mariage des enfants nuit gravement l'éducation, la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive, et le développement général des adolescents et des jeunes. Dans la première partie de ce forum, nous parlerons d'abord de la situation du mariage des enfants au Niger. Ensuite, euh, nous nous intéresserons à ses causes Enfin, nous terminerons sur comment réussir une meilleure prévention de ce phénomène au Niger. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir euh, dans ce studio Madame euh, Suleiman Ramatou Albadé. Elle est chef euh, de division à la direction de la protection des droits de l'enfant, DPDE. Notre deuxième invité et Madame Thierry Falmata, femme actrice de la société civile nigérienne, membre de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, la Congafen. Et enfin, Farida Mahamman, elle est chef de projet à l'ONG FAD Niger, Femmes, Action et Développement. À la modération de ce forum de ce soir, je suis Michel Deji. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans ce forum du studio Kalangou de ce soir, au cours duquel nous parlerons du thème le mariage des enfants, comment prévenir la pratique euh, au Niger. Pour commencer, Madame euh, Souleymane Ramoto Albade, chef de division à la direction de protection des droits de l'enfant, représentante donc du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant quelle est la situation actuelle du mariage des enfants au Niger euh, Merci. Euh, la situation du mariage des enfants au Niger, comme le disent toutes les études, tous les documents qui parlent de ce phénomène au Niger, on sait que nous avons le plus fort taux du monde mhm. et en Afrique plus particulièrement. Est-ce qu'on a toujours ce plus grand taux du monde en termes de mariage d'enfants Je pense que ça demeure comme ça, mais quand mhm. même, il y a eu une réduction. Mhm. Parce qu'il y a une étude qui a été menée tout récemment par euh, le FUNIAP mhm. sur l'ampleur et les phénomènes et les déterminants des violences basées sur le genre, qui disent que le taux est revenu maintenant en 2021. Mhm. L'étude a été menée et le taux est de 53,4%, contrairement aux 76,3% qui étaient ressortis dans les études antérieures. Et vous voyez qu'il y a vraiment Mm-hmm. une euh, avancée significative. Ça veut dire à partir de l'année 2021, on peut considérer que dans la célébration des mariages au Niger, les enfants impliqués représentent 53,4% euh, des cas. Mm-hmm. Et que ce phénomène il est plus criard en milieu rural mm-hmm. qu'en milieu urbain. Parce que si on fait la part des choses, la comparaison en milieu rural et en milieu urbain, elle est en milieu urbain, n'est pas Mhm. la même. Mhm. Donc la situation, elle évolue mhm. en milieu rural plus qu'en milieu urbain. Et la communauté a commencé à prendre conscience que c'est un phénomène qui nuit drastiquement à la situation de l'enfant. L'enfant, c'est un être en développement, donc il a besoin d'être éduqué, d'assurer la survie et le développement de l'enfant. Et on sait pertinemment qu'une fois que l'enfant est, mis en mariage, du coup, tout ce processus, il est compromis. Mhm. Son éducation, son, développement le processus de développement de l'enfant, il est santé, santé mhm. éducation psychophysique, mhm. tout ce processus, quand même, il est en déphasage avec les autres enfants de son âge qui continuent à évoluer normalement, qui n'ont pas subi ce phénomène-là. Merci beaucoup. Madame Kari Falmata, actrice de la société civile, membre de la CONGAFEN, la coordination des ONG nigériennes de défense euh, des droits de la femme. Est-ce à votre niveau un élément important de lutte, la question du mariage euh, précoce qu'on appelle aujourd'hui mariage des enfants C'est notre société qui le fait. Ce phénomène récurrent. comme l'a dit euh, Madame du droit de l'enfant, et abaissé avec les sensibilisations. Donc, euh, on a vu les parents, pour des raisons que vous connaissez, la pauvreté, mhm. le chômage, l'échec scolaire, la, crainte de grossesse indésirée, mhm. l'analphabétisme. Mhm. Pour toutes ces raisons, ils préfèrent donner leur enfant, la jeune fille surtout, en mariage. Alors, comme l'a dit la dame du, droit de, l'enfant, mm-hmm. il y a eu des avancées. Il y a eu une chute drastique de 76,3% à 53,4% mm-hmm. à cause de la sensibilisation qu'on a faite sur les médias mm-hmm. pour sensibiliser les parents d'abord, qui sont les, concernés, les vrais acteurs, et les oulémas, avec l'aide des oulémas. Mais il y a eu cette sensibilisation qui nous a beaucoup aidés maintenant. Donc il y a une chute, mais ça continue, la lutte n'est pas finie. Il y a toujours des poches de mariage précoce, surtout à Maradi, Zander, n'est-ce pas, où il y a des portes-tours de natalité. Il y a des études euh, d'ailleurs, qui illustrent. Voilà, il y a des études, il y a eu des mhm. études, je parle sous le contrôle de madame, il y a eu des études. On a vu, euh, oui, évidemment. Justement, des aspects où Maradi a été présenté comme une des régions. où le voilà. des enfants est plus pratiqué. et mhm. c'est là où le taux et le taux de natalité est plus fort mhm. au Niger. Donc, euh, il y, a, beaucoup de filles, elles font du petit commerce, elles ne partent pas à l'école. Mhm. Et maintenant, si elles ont 12 ans, 11 ans, on, leur donne un, mariage pour éviter des grossesses indésirées. Mhm. Les parents n'étaient pas sensibilisés. Mais maintenant, avec la forte sensibilisation, ce phénomène a baissé même dans cette région. Comme dit madame, c'est en zone rurale, bien sûr, mais même en ville, maintenant, ce phénomène existe. Parce que il y a une loi qui protège la fille protégeant la jeune fille et il faut qu'elle soit scolarisée jusqu'à l'âge de 16 ans. Vous faites allusion par exemple au décret portant euh, protection de, la, scolarisation de la jeune et fille de la, qui date de, 2017. Voilà. Euh, mhm. Donc tout ça là, ça a aidé maintenant à faire baisser euh, mhm. ce taux de mariage qui était très élevé dans toute la sous-région. Mhm. Merci beaucoup. Farida Mohamed, est-ce que ça a contribué, vous pensez, ce décret portant euh, soutien et accompagnement à la scolarisation de la jeune fille partout au Niger Un décret qui avait été salué, c'était en 2017 à l'époque de l'ancien président Issoufou Mouamadou. L'ONG FAD a beaucoup contribué à ce que le décret soit signé. Elle a été un membre vraiment actif dans l'élaboration de ce décret mm-hmm. et il y a eu un arrêté aussi qui a a été fait pour appuyer ce, ce décret. Donc, comme Madame l'a dit, euh, c'est au niveau de Maradi et Zender qu'on constate euh, ce plus grand taux de mariage d'enfants. Euh, moi, je pense que c'est une question qui est liée à la situation économique des parents. Mhm. Donc, par exemple, dans les zones rurales où les parents n'ont pas beaucoup de moyens. Ils, considèrent la fille comme un poids pour eux, donc la donner en mariage, ça les soulage un peu par rapport à son éducation, sa prise en charge et tout. Ça veut dire la prise en charge. voilà, euh, donc ça cause problème au niveau des ménages dans les zones rurales. Voilà, ça, ce que vous pensez. Mhm. En dehors de ça, euh, quels sont les autres facteurs qui favorisent euh, ce mariage des enfants au Niger, selon vous, en dehors de ce qui a été dit par. Oui, il y a aussi les parents qui n'ont pas été à l'école aussi. Mhm. Donc le, ça aussi, ça contribue à ce que il y en a d'autres qui veulent envoyer leurs enfants à l'école pour qu'elles puissent vraiment à l'avenir devenir quelqu'un, les aider. Mhm. Mais il y a d'autres aussi qui sont réticents. Par, il y a plusieurs aspects, l'insécurité à l'école, tout ce qui se passe par rapport aux violences basées sur le genre en milieu scolaire. Mhm. Donc, euh, c'est aussi une des questions qui fait qu'il y a certains parents qui sont réticents à envoyer surtout leurs jeunes filles à l'école. Voyons justement face euh, à ces multiples causes du mariage des enfants, comment assurer une meilleure euh, prévention de cette euh, pratique euh, au Niger. On le rappelle, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, 30% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et 75% avant 18 ans au Niger. Mais nous avons constaté donc qu'il y a eu une nette évolution par rapport à cette situation. Nous sommes euh, en effet actuellement, selon les données de 2021 qui ont été données par la représentante euh, du ministère euh, en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, nous sommes à actuellement 53,4% de mariages où on constate des enfants impliqués qui étaient donc auparavant de 76%. Alors, à l'heure actuelle euh, Madame la chef euh, division à la direction de protection des droits de l'enfant, DPDE, au ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Comment vous faites face à cette situation Quelles sont vos actions dans le cadre de la lutte contre le mariage des enfants au Niger Je reviendrai un peu en arrière par rapport aux, causes. de ce phénomène-là. Mhm. Euh, au-delà de tout ce que les deux ont dit, je pense que c'est aussi un phénomène qui a plus tendance à être culturel. Mhm. Et il y a les normes sociales qui agissent au niveau de ce phénomène-là. Mhm. Donc, ce qui nous amène en termes d'action à agir à travers des dialogues, sociaux, des dialogues sociaux mhm. avec les communautés. Il faut tout ce qu'on fait au niveau du ministère. Nous privilégions les approches de protection à base communautaire qui prennent en compte les communautés. Donc le travail doit être fait à la base, donc en associant la communauté, mm. parce que c'est elle qui est responsable et c'est la communauté qui vit ce phénomène-là. Mm. Les enfants sont dans une communauté et ce phénomène, tant de, culturel, les normes sociales qui interviennent, donc les enfants subissent le phénomène. Mm-hmm. Donc pour contrecarrer ce phénomène, nous allons mettre au devant la communauté quand on parle de communauté, on voit les couches, les différentes couches sociales qu'il y a au sein d'une communauté, sans oublier les leaders d'opinion qui sont les chefs traditionnels, les leaders religieux et toutes les compositions sociales qu'il y a au sein de la communauté. Donc, comme j'ai eu à le dire, nos actions sont vraiment axées sur une approche que nous appelons approche de protection à base communautaire cette approche est expérimentée dans les régions de Maradi, Zender et il y a des extensions qui ont été faites euh, dans d'autres régions. Mhm. Il y a aussi le programme Elimine. L'approche communautaire, là, elle est, nous le faisons en collaboration avec l'UNICEF, mhm. qui est l'un de nos partenaires privilégiés. Et le programme Elimine, que nous sommes en train de mettre en œuvre avec l'appui de l'UNFPA. Mhm. Donc, c'est comme ça que le pensons un peu prévenir le phénomène de mariage d'enfants. Parce que en quoi consiste ces, programmes-là Au sein d'une communauté, on recrute ce qu'on appelle des facilitateurs communautaires des FACOM, qu'on forme pendant un certain temps. Et ces facilitateurs communautaires, ils vont dans la communauté, ils organisent les filles non scolarisées et déscolarisées selon leur catégorie d'âge en des hangars, ce mhm. qu'on appelle des hangars de, de causerie. Mhm. Et on parle de différentes thématiques en lien avec le corps de la fille, son évolution et il y a aussi des dialogues communautaires qu'on fait pour un peu éradiquer ce phénomène. Mhm. Et pour ça, nous avons élaboré un plan stratégique pour mettre fin au mariage d'enfants ce plan stratégique date de 2019. Il, il est venu à terme en 2021. Mhm. Ce plan stratégique, il est actuellement en stade d'évaluation et on compte élaborer euh, un nouveau plan stratégique pour mettre fin au mariage d'enfants. Ce premier plan stratégique, il comporte quatre axes stratégiques mhm. qui concourent à la réduction du phénomène du mariage d'enfants au Niger. Et ce plan, il est vous dites bien à son terme Il est à son terme. Depuis 2021 2021. Maintenant, vous préparez le nouveau plan On nous prépare un nouveau plan. C'est pour ça que j'ai dit que le plan stratégique 2019-2021, il est en, évaluation. Mhm. Après l'évaluation, on va faire un, nouveau, plan stratégique. Éventuellement permettre d'améliorer même. Euh, on va voir. voilà, on va mhm. voir là où il y a les manquements et comment améliorer ce qui a manqué pour, dans le premier plan mhm. pour mieux maintenant mieux faire pour améliorer la mise en œuvre de ce plan stratégique. Mhm. Merci beaucoup. Madame Thierry Falmata, membre de la Congafen, selon vous, en tant que mère, qu'est-ce que ça vous dit le mariage des enfants Quand on dit qu'il y en a qui préfèrent donner un mariage à leurs enfants, que surtout pour les jeunes filles alors qu'elles sont toutes petites. En tant que mère, ça nous fait quand même un couic et on tente à notre niveau. Mhm. Euh, de sensibiliser nos camarades maires. Et vous savez que la Congapen, avec le concours du ministère de la Promotion de la Femme et des bailleurs comme euh, UNICEF, mm-hmm. nous avons fait plusieurs ateliers avec les mm-hmm. oulémas mm-hmm. pour les sensibiliser. C'est les vrais leaders d'opinion avec les chefs traditionnels. C'est eux qui sont concernés dans la communauté à la base, comme le dit madame. Euh, c'est eux qui sont écoutés dans la population les leaders religieux, les chefs traditionnels, etc., les chefs coutumiers, bon, ils sont dans la même pochette, on les écoute plus. Mhm. Et c'est eux qu'on sensibilise pour qu'ils agissent sur la population. Est-ce qu'ils sont favorables à ce que vous leur demandez Il y en a, voilà, vous savez, euh, c'est un phénomène euh, culturel, comme le dit madame. Mhm. Il y a deux clans, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mhm. Mais on, fait tout, parce que les parents même ont compris ils, laissent leur fille maintenant à l'école parce qu'une fille scolarisée devient la leader de son village. Mhm. Quand ils voient qu'ils ont formé une fille, elle a un, métier, elle, revient au village, elle aide ses parents. des fois, elle est députée, des fois, elle est ministre, des fois, elle est conseillère municipale, des fois, elle est maire, mhm. elle est professeure, elle est médecin. Vous voyez, elle devient une élite. Mhm. Elle devient une, une leader dans son village. Maintenant, les parents qui voient ça, eux aussi, ils sont encouragés et à, mettre leur fille à l'école et à cesser n'est-ce pas, de, de, faire des mariages précoces. Mhm. Donc, si on vous comprend bien, les parents ont intérêt à ce que les mariages de leurs enfants ne soient pas vite célébrés, c'est ça euh, Voilà, même pas ça, mais même physiquement, comme l'a dit madame, mhm. à un âge de 12 ans, la fille n'est pas assez développée pour mhm. porter une grossesse. N'est-ce pas Donc, c'est ça, elle est victime de fistules. Vous voyez, il y a même un centre de fistuleuse au Niger. Donc, les parents voyaient ceci, parce que quand une fille devient fistuleuse, son mari même la rejette, mhm. la société la rejette. Donc de plus en plus, les parents ont compris l'enjeu qui fait les conséquences du mariage précoce. Mhm. Il y a des causes et des conséquences. Donc les conséquences, n'est-ce pas, ça engendre certaines maladies comme la fistule. Et la fille est rejetée par sa famille, elle est rejetée par son mari, elle est rejetée par la société, elle est mhm. isolée, elle est stigmatisée. Donc, face à ce phénomène, maintenant, la, population a compris qu'elles n'ont aucun intérêt à, marier une fille qui n'est pas mature. Mhm. Parce que pour, qu'il y ait mariage, il faut que vous soyez mature, pour que vous soyez développé physiquement. Mhm. Bon, maintenant, avec l'alimentation de nos jours, les filles se développent vite. Mhm. Bon, mais néanmoins, dans, dans longtemps, la fille, n'est-ce pas, physiquement, n'est pas développée pour subir les conséquences de ces mariages-là. Il faut rappeler que dans le code civil en vigueur au Niger, l'âge requis pour le mariage euh, est 15 ans révolu pour les filles mhm. et 18 ans révolu pour les, garçons. garçons. Ça veut dire qu'il faut un minimum de 15 ans. Et selon les publications récentes de l'UNICEF, donc, euh, nous avons au moins une fille sur quatre qui se marie avant les 15 ans, c'est-à-dire l'âge requis, mhm. et trois filles sur quatre se marient avant l'âge euh, de 18 ans. Mhm. Farida Mahaman, quels sont les avis que vous avez par rapport à ce sujet quand vous rencontrez les jeunes filles et vous discutez avec elles sur cette question de mariage euh, des enfants Qu'est-ce qu'elles vous disent en réalité au niveau de l'ONG FAD au niveau de l'ONG FAD, il mhm. euh, y a eu vraiment, on reçoit assez de plaintes et on a été euh, des acteurs pour empêcher certains mariages d'enfants, puisque mhm. à travers les euh, les cas de hearing qu'on a mis en place, et des cas d'écoute qu'on met en place au niveau des écoles, c'est surtout au niveau des écoles de Maradi. Mhm. On a au total 19 euh, euh, voire 20 cadres de hearing au niveau de la ville de Maradi. Mhm. Donc à, travers ces cadres de hearing, c'est des clubs euh, où on échange, on fait le débat par rapport à la question, c'est ça Oui, c'est mhm. des jeunes filles, elles sont en groupe de 10 donc à l'école. elles ont reçu des formations sur, le leadership, les violences basées sur le genre, Mhm. la santé sexuelle et reproductive. Donc, euh, elles sont en charge à l'école de diffuser qu'elles sont présentes dans l'école et que quand une fille est victime de mariage, euh, ses parents veulent la marier, mhm. ils peuvent venir au niveau de ce club-là, mhm. leur en parler et le club est, est tenu d'aller dénoncer ça au niveau de l'administration de l'école. Donc à travers ça, des actions peuvent être menées et pour pouvoir empêcher le mariage. Des actions de sensibilisation Oui, de sensibilisation, voir les parents. Par exemple, si la fille, elle est elle n'a pas 15 ans, elle est en classe de 6e, voire 5e, on peut demander de sursoir sur le mariage jusqu'à ce qu'elle obtienne au moins son BPC mhm. ou bien la laisser continuer. on les sensibilise à ce qu'ils comprennent l'enjeu de l'importance de l'école pour les filles. Donc, mhm. euh, il y a eu beaucoup de cas que l'ONG FAD a eu à, à gérer. pour pouvoir empêcher mhm. ces mariages. Vous sensibilisez donc pour que les parents comprennent que leurs filles doivent avoir au moins 15 ans avant le mariage et est-ce qu'ils acceptent euh, ce que vous leur dites Il y en a qui, acceptent euh, de sursoir sur le mariage, laisser la fille continuer ses, études. Mhm. Il y en a qui n'acceptent pas, qui font le mariage mais de manière à ce que la fille puisse continuer ses études après, après le mariage. Merci beaucoup. Madame euh, Souleymane ramoto Albade, chef euh, de division à la direction de protection des droits de l'enfant au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Qu'avez-vous ajouté par rapport aux conséquences euh, des mariages des enfants au Niger Les conséquences du mariage d'enfants elles sont multiples et variées. Mhm. Parce que rien que pour la fistule, on va voir que la fille, elle sera catégoriquement rejetée par la société. Le mari en premier. Et à la longue, même la famille la rejette. Mhm. Si on fait un tour à l'hôpital euh, national, on a un endroit où il y a les fistuleuses qui ont mhm. duré. Elles n'ont personne pour leur rendre visite. Il y a même un centre, qui est construit. Qui Voilà, qui accueille ces pauvres dames-là. Elles sont laissées à, leur sort. Mhm. Donc, elles n'ont que l'appui peut-être des partenaires qui appuient difficilement, je me dis, le centre des mhm. fistuleuses, des femmes fistuleuses de Niamey. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur ces conséquences-là. Ça veut dire que leur mari les abandonne pour se remarier, c'est ça Carrément, elles mhm. les abandonnent. Même pas les maris, même les parents les, les, les, abandonnent toute la société. Ce sont des femmes vraiment qui sont rejetées par la société. les quelques rares cas qui arrivent à recouvrir la santé, elles euh, réintègrent leur famille. Et les conséquences, elles sont de plusieurs ordres, comme je l'ai dit, sur le plan social, sur le plan économique. Mhm. Le plan sanitaire, ça, n'en parlons pas. C'est ça qui est palpable sur le plan sanitaire, la mhm. fistule dont on parle. Là, on aura des femmes qui seront, socialement, elles seront perdues. Mhm. Socialement, elles n'ont pas de repères. Elles sont laissées à elles-mêmes. Et l'éducation est ratée. Une fille qui est mariée avant 18 ans, son éducation est ratée. Et voilà, sur le plan de vie économique aussi, cette pauvre fille qui a été mariée précocement, elle n'aura pas à contribuer dans le développement de la nation. Mhm. Donc, vous voyez, les conséquences, elles sont de plusieurs ordres, comme j'ai eu à le dire. À partir du mariage, euh, c'est une nouvelle situation matrimoniale qui euh, nécessite une certaine responsabilité d'engagement dans la gestion de beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous recommandez aux ménages dans ce sens au niveau du ministère qui a en charge de la promotion de la femme et la protection de l'enfant moi, je dirais que les, les parents doivent euh, échanger surtout avec les filles, mhm. les jeunes filles. Et si on échange, on crée le, le cadre d'échange avec les enfants. Mhm. Parce que un des, des, droits de l'enfant, c'est le droit à la participation. Mhm. L'enfant doit être. son avis compte. oui, son avis compte. L'enfant doit être euh, concerté par rapport à tout ce qui concerne sa vie. Donc, même s'il y a les parents soupçonnent des choses sur leurs enfants ou bien qu'ils veulent donner la fille en mariage, qu'ils discutent avec cette fille-là. Mhm. Les enfants sont maintenant très éveillés et elles peuvent attirer l'attention des parents. Ah, papa, moi, je peux continuer mes études, donc j'ai pas encore envie de me marier. Mhm. Et on trouve parfois des enfants qui disent qu'il pleuve ou qu'il neige, moi, je veux me marier avant l'âge de 18 ans. Il y a des situations qui se présentent comme mhm. ça. Les parents, face à cette situation, ils sont obligés de donner cette pauvre fille en mariage là. Parce qu'il n'y a pas eu d'échange. Moi, je me dis, le tout tourne autour de la concertation au sein mhm. d'une famille. Il faut, renforcer le dialogue. Il faut renforcer le dialogue entre enfants et parents. Entre enfants et parents. Mhm. Aider l'enfant à comprendre euh, Tout à les enjeux d'une telle décision. Mhm. Merci beaucoup, Madame Thierry euh, Falmata. On voit également que certains disent bon, on préfère euh, que les filles se marient tôt pour les mettre à l'abri de toute situation de débauche parce que y a, on a l'impression un certain désengagement de beaucoup de parents. Quelle est votre lecture de la chose Vraiment, moi je vis cette situation. Mhm. Moi je n'ai que des garçons et Dieu merci, j'ai élevé deux filles. Mhm. Mais je vous jure, c'est une situation stressante parce qu'à l'âge de la puberté, en Afrique, il n'y a pas de communication, il n'y a mhm. pas de dialogue entre parents. Les enfants, surtout maintenant, ils ont euh, tout sur euh, les réseaux sociaux. Euh, oui, oui, oui. les sujets tabous. Les sujets tabous à la dans la famille se retrouvent dans les réseaux sociaux. Donc, mhm. ils se retrouvent et ils apprennent beaucoup de choses sous notre, pas sous mhm. notre contrôle, à, à, notre insu. Et c'est maintenant qu'ils viennent de déboucher c'est la vraie débauche qui, commence. Ils apprennent des choses, ils cachent des choses aux parents, on ne communique pas, tout est tabou. Mm. Et c'est ça qui amène des, des, conséquences très graves, des grossesses même indésirées. Parce que même les menstrues mensuelles, mm-hmm. les, les, parents n'en parlent pas aux filles. Mm. Tu l'apprends dans la rue. Et c'est ce qui n'est pas normal. Donc vous voyez, c'est ce qui cause tous ces accidents-là. Qui doit faire cela C'est les parents. La et maman d'abord, c'est ça La maman, et, si vous voulez, au Niger, je parle sous le contrôle de Madame. Euh, de la, de division de, de protection de Les sociologues au Niger et les, comment on appelle les assistantes sociales ne jouent pas leur rôle. Dans les écoles, il n'y en a pas. Donc il doit y avoir des femmes assistantes sociales. Voilà. À part les professeurs d'économie familiale qui ne leur apprennent que comment il faut faire la cuisine. Mhm. Mais on n'apprend pas des choses sérieuses. C'est tout ce qui est sexe et sujet tabou au Niger. Mhm. C'est ce qui amène des graves accidents. Si on en parle avec la famille, on sensibilise les filles. Attention, à l'âge de 14 ans, si vous partez avec les garçons, vous risquez <laughs> d'avoir des grossesses indésirées. Personne ne vous le dit. C'est vous, vous sentez en danger, mais personne ne vous le dit. C'est quand le phénomène aboutit, c'est quand la grossesse surgit que maintenant les parents ouvrent des grands yeux, ils commencent à abattre la fille. Or, c'est pas ça. Mhm. Il fallait soigner le mal à sa racine. Mhm. Et quel est ce mal-là C'est l'absence de dialogue. Mhm. Au Niger, on ne communique pas avec nos enfants. On se contente de les vêtir, de les nourrir, de les amener à l'école, mais on ne leur parle pas des vrais problèmes. Mhm. Merci beaucoup. Farida, Mohamed quelle piste de solution préconisez-vous face à cette situation, situation de débauche On en parle souvent en Conseil des ministres où on mm-hmm. voit des choses euh, auxquelles, en tout cas, euh, on n'était pas habitué, mais qui arrivent et qui, mm-hmm. euh, il faut le dire, certains disent d'ailleurs pour ces raisons mm-hmm. que c'est bien normal de donner très vite, très rapidement les jeunes filles en mariage. Je rejoins un peu mes prédécesseurs. Donc, tout est lié à la communication. Mhm. Communication dès la base, dans la famille, mhm. surtout avec la maman. Quand il y a cette communication, la fille apprend très tôt mhm. ce qui attend à l'adolescence. Parce que dès, y a, avec euh, ce temps-là, euh, les jeunes filles même voient leur menstrues des fois à l'âge de 10 ans. Mhm. C'est très précoce. Donc c'est vraiment à la maman de prendre en charge, d'en parler avec la fille. Mhm. Lui dire ce qu'il attend à l'adolescence pour pouvoir vraiment prévenir tout ça. Là. Mhm. Un enfant, quand vous le mettez, mettez en confiance, lui-même a, honte de vous décevoir. Donc, il faut vraiment créer cette confiance entre mère et fille. et... Il faut plus de confiance. Oui, entre les filles et, leurs parents. Voilà, et leurs mm. parents. Parce que je me dis qu'il y a des, des enfants qui, qui sont en manque de confiance de leurs parents et qui font, qui se cachent pour pouvoir faire de certaines bêtises Qu'est-ce qui, les met dans cette situation Oui, c'est le manque de communication. Ils ont mm. peur d'aller vers les parents. Des fois, la mère, elle, elle n'a pas envie de discuter de ce sujet avec sa fille parce que mm-hmm. c'est tabou. Euh, on n'est pas en Europe où c'est free de parler de tout ça là. Mm. Donc les gens ont tendance à ne pas parler euh, de du sujet de sexe comme mm-hmm. Madame l'a dit avec les jeunes filles. Donc mm. les filles se cachent, préfèrent parler à leurs amis et Et certains amis ne sont pas corrects aussi. Donc mm en les influence, ils sont, elles sont facilement influençables. Mhm. Je me dis qu'il faut responsabiliser l'enfant, que ce soit les filles ou les garçons, il faut d'abord les responsabiliser au niveau de la famille. Et après, à l'école aussi, mhm. il faut leur apprendre leurs droits et tout pour que les enfants puissent comprendre que eux-mêmes ils ont des droits et que ils peuvent intervenir dans la prise de décision qui les concerne. Mhm. Madame euh, Souleymane Ramoto Albade de la Direction de protection des droits de l'enfant au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. On a vu que selon les deux qui vous ont précédé, il y a un manque de communication. Il faut renforcer la confiance entre mère ou entre parents et enfants. Est-ce que tout cela peut contribuer à éviter les situations peu désirables qu'on constate souvent La communication, en toute chose, moi je pense que est mhm. une bonne action à privilégier. Et surtout, comme elle a eu à le dire, Madame Falmata a eu à le dire, l'avènement des réseaux sociaux, ça c'est un gros danger. Mhm. Les enfants avec Internet, les mauvaises compagnies, ils comprennent tout maintenant. Mhm. Donc le gros problème, c'est au niveau des foyers. Mhm. Si je remarque que ma fille commence à se développer, commence à faire les seins, je dois la prendre de côté, lui expliquer tout le processus qu'elle est en train de suivre que de la laisser aller sur Internet ou bien aller à l'école. Son ami va lui dire s'il lui dit ça. Je pense que il revient aux parents de bien causer avec les enfants. Nous avons, nous sommes au 21e siècle, nous avons dépassé ce stade où on va dire que tout est tabou. vous. Mm. Moi, je pense qu'on doit dépasser cet état d'esprit et privilégier le dialogue entre parents, plus particulièrement entre mère et fille. Ça, c'est à mettre, c'est euh, un, point qu'il faut mettre en exergue au niveau des, couples. C'est vraiment travailler sur euh, les normes sociales, mhm. surtout sur tout ça. Travailler sur les normes sociales et travailler avec la communauté, mhm. sans oublier les leaders. Je vous prends l'exemple du chef de canton de Lila. Mhm. Moi, j'étais dans, la, région de, la région de Tawa. On était en mission de supervision une année, donc on lui a rendu une visite de courtoisie. Et on a trouvé euh, dans son, comment on appelle ça, dans son palais. Mhm. Il a pris un acte qui punit tout celui qui ose donner sa fille en mariage avant l'âge de 18 ans. Mhm. Ça, c'est des actions à encourager et à multiplier. Mhm. Si au, Niger, chaque euh, leader me prendre des décisions pareilles, au niveau de son canton, je pense que la communauté, elle sera contrainte de laisser tomber ce phénomène-là. Mhm. On était là quand une fille euh, a été ramenée d'Abidjan. Vous savez bien que dans la région de Tawa, ils aiment bien donner les filles en mariage aux, aux mhm. Elle était à Abidjan ou au, au Bénin, je ne me rappelle plus trop. C'est lui qui a mobilisé les ressources pour qu'on parte ramener cette pauvre fillette-là et il l'a hébergé chez lui jusqu'à ce qu'on retrouve euh, les parents de la jeune fille qui sont venus récupérer leur enfant. Donc c'est des actions que vous saluez Donc euh, c'est des actions à saluer mhm. justement. Et il faut euh, que nos approches là qui sont appelées approches à base communautaire et l'approche illimite, qu'elles soient étendues, qu'elle mhm. soit qu'elles soient mises à échelle au niveau national. Mhm. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas une couverture nationale si on a déjà ces approches-là où on sensibilise et les parents et les filles elles-mêmes, il faut qu'elles comprennent le danger qu'elles encourent. Mhm. Parce que quelqu'un ne peut pas solutionner ton problème. Si déjà les filles ont conscience que le mariage d'enfants a plus de conséquences sur elles mhm. que de conséquences néfastes justement mhm. sur, sur elles, elles vont elles-mêmes renoncer au mariage. Et on a l'habitude de voir au niveau de la région de Maradi, et la région de Zender où l'approche à base communautaire ont été mais, eh, expérimentées. C'était vers 2014, 2015, 2016, je crois. Mhm. Des filles qui ont dit non à leurs parents, qui renoncent au mariage d'enfants et qui refusent le mariage d'enfants. Mhm. Et les, pères, les parents sont obligés d'accepter la décision de ces jeunes filles-là. Mhm. Parfois, on insiste pour célébrer le mariage. Il y a eu des cas quand même en région également. Oui, les parents, ils insistent, mais ça a des conséquences aussi. Parce que soit la fille, elle tente de suicider le mari, mhm. soit elle tente de s'évader, de elle va fuguer, mhm. et soit elle se donne à la prostitution. Ça a d'autres conséquences mhm. aussi. C'est ça le problème. Ça veut dire que ça a des conséquences encore plus dramatiques. voilà. Merci beaucoup, Madame euh, Falmata Kiari. Avez-vous des attentes particulières euh, pour terminer, puisque nous sommes euh, vers la fin de ce forum du studio Kalango Bon, ça ne peut être que des recommandations. Mhm. Euh, les deux structures représentées par Madame Suleiman et IPAD. Mhm. C'est-à-dire le ministère, l'État. oui, et nous, la société civile. Qu'on continue la sensibilisation, mhm. parce qu'il faut travailler d'arrache-pied. Donc, en recommandation, il faudrait continuer les sensibilisations mhm. avec les chefs, euh, les leaders de, la société, les chefs religieux, les oulémas, les, les femmes, etc. Tous les acteurs qui sont concernés. Les vrais acteurs, c'est la famille. Donc, euh, il faut que les chefs des villages, mhm. surtout en zone rurale, nous aident pour ça. Et en ville aussi, euh, il faut que les médias aussi s'investissent, mhm. les radios, les télés, tels que Kalangou et autres. Mhm. Voilà. Officiellement, l'âge euh, légal, c'est 15 ans, que l'État propose à travers le code civil. Farida Mahaman, c'est vrai que le débat ne fait pas l'unanimité quand il s'agit de parler de l'âge du mariage. Déjà, les 15 ans, on a beaucoup de gens, disons entre guillemets, des personnes qui ne sont pas d'accord et d'autres cherchent à atteindre les 18 ans pour les jeunes filles. Quelle est votre lecture euh, de cette situation Bon, moi, je pense qu'il faut vraiment aller vers les 18 ans. Mhm. Il faut euh, qu'on dise, par exemple, qu'au gère pour que la fille puisse se marier, il faut qu'elle ait 18 ans. Qu'elle ait 18 ans. C'est mhm. vrai, le, avec le développement, maintenant, les jeunes filles ont un physique qui est assez rapidement développé. Mhm. Mais je pense que vers l'âge de 18 ans, quand même, euh, la fille, son corps est assez mûr pour qu'elle puisse supporter une éventuelle grossesse et, et autres. Oui. Mhm. Et avez-vous des appels euh, ou des attentes particulières pour terminer, puisque nous sommes euh, à la fin de l'émission, euh, par rapport toujours à la situation du magasin des enfants au Niger Comme Madame Suleiman l'a dit, mhm. au niveau de encourager les actions que le chef de canton de Ilel l'a fait, mhm. si vraiment on on fait en sorte que tous les chefs de canton font pareil et mhm. ça va vraiment réduire le taux de mariage des enfants. Mhm. Et aux jeunes filles, avez-vous des conseils à leur donner par rapport à ce que vous dites Oui, mhm. euh, surtout éviter les... tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est pas tout qui est vrai, c'est pas la réalité des choses. Les gens inventent beaucoup de choses pour nous induire en erreur et se concentrer plus sur les échanges entre les parents et les tantes, voilà, ceux, ceux conformer à mhm. ce qu'on faisait avant et puis. Mhm. Chercher des tentes au sein de la famille oui. où il faut aller prendre des conseils. Voilà, parce que des fois, peut-être avec la mère, c'est un peu compliqué. Mhm. Il y a la honte qui est là, qui s'installe. On peut trouver une tante qui est vraiment. avec qui on peut se confier et puis qu'elle peut, qui peut nous conseiller. Merci beaucoup. Madame Suleiman Ramatou, Albadé, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut espérer du côté de l'État pour arriver à mieux réussir cette lutte contre le mariage des enfants. Et si vous avez un appel pour terminer, puisque c'est un problème de société, il n'y a pas que l'État qui doit agir, c'est toute la société que ça engage. Euh, donc, euh, du côté de l'État, je pense que l'État va créer les conditions pour que toutes les filles soient scolarisées. Mhm. Donc, euh, il faut mettre l'accent sur l'éducation. Oui, c'est vrai, la scolarisation de la jeune de fille, la jeune fille c'est peut une retarder, qui peut retarder, contribuer à retarder le mariage. L'âge du mariage. Euh, des enfants. Voilà. Une fille déscolarisée, il faut aussi créer les conditions. Si la fille, on a vu que les filles à partir du CM2, il y en a qui, sont, qui, rencontrent des difficultés. Mhm. Si maintenant la fille n'arrive pas à évoluer dans le système scolaire mhm. euh, normal, qu'on la place dans un système où elle peut apprendre un métier. Mhm. Tout ça, ce sont des pistes qui peuvent réduire eh, le mariage mhm. d'enfants. Et en plus, comme j'ai eu à le dire au niveau de l'État, mhm. nous devons travailler avec la communauté. Parce que nous, l'État, en tant qu'État, on ne peut pas à nous seuls. Il y a les textes qu'on établit, il y a les conventions auxquelles on adhère, mais quand même, étant un phénomène sociétal, mhm. il faut agir avec la base. Mhm. Et là, la base, elle connaît mieux les solutions aux problèmes qu'elle vit mhm. que nous-mêmes. Donc, il faut tout faire pour composer avec les sociétés, pour avoir une solution pérenne à ce problème-là. Moi, je me dis que depuis tout ce temps qu'on est en train de parler de mettre fin au mariage d'enfants, peut-être que les communautés-là n'ont pas été suffisamment associées au, comment on appelle ça processus. au processus. de recherche de solutions mhm. pour mettre fin au mariage d'enfants. Parce qu'on a vu les projets d'antan avaient échoué parce qu'on restait dans nos bureaux pour concevoir. Mhm. Mais la conception doit se faire maintenant à la base. Allons vers la communauté, demandez-leur c'est mhm. quoi le problème. Et nous savons pertinemment que ce sont des normes sociales. Maintenant, nous, pour contrecarrer ces normes sociales, on met l'accent beaucoup plus sur les conséquences mhm. qui sont multiples et variées du, phénomène du mariage d'enfants, surtout mhm. sur les jeunes filles. Moi, je pense que nous devons tous agir ensemble mhm. pour contrecarrer ce phénomène-là. De toutes les façons, quoi qu'on fasse, on aura toujours des personnes qui sont réticentes par rapport à la lutte contre ce phénomène-là, pour une raison ou pour une autre. Donc, euh, je me dis que le phénomène du mariage d'enfants ne concerne pas que l'État, mhm. ça concerne tout le monde. Et là, même notre ministre, son Excellence Madame Allahouri Amina Kaleni, a pris un engagement lors d'un sommet qu'ils ont tenu pour euh, réduire le taux du mariage d'enfants à 30% d'ici 2030. Mhm. Et en se basant sur ces approches communautaires-là mhm. que nous avons expérimentées dans certaines régions, Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'élargir ces approches dans toutes les régions du mhm. pays et que, que, ça passe jusqu'au niveau, le plus bas niveau, qui est le village, mhm. dans la mise en œuvre de ces approches à base communautaire. Parce que comme j'ai eu à le dire, à nous seuls, on ne peut pas solutionner le problème. Merci beaucoup. Il faut donc euh, que le problème euh, implique euh, tout le monde pour une meilleure résolution. Chers auditeurs et téléspectateurs des 52 radios et 7 télévisions partenaires du studio Kalangu, nous sommes au terme de ce forum qui a eu pour thème le mariage des enfants, comment prévenir la pratique au Niger nous comprenons que le mariage des enfants est une réalité au Niger. On l'avait rappelé selon le document intitulé Le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNICEF paru en septembre 2018. Le Niger est le pays ayant le plus grand taux de mariage des enfants dans le monde mais selon les données actualisées, comme a eu à nous le rappeler Madame Souleymane Ramoto Albadé, chef de division à la Direction nationale de protection des droits de l'enfant, ces données ont évolué et en 2021, nous avons eu un taux de 53,4% de mariages où on a des enfants qui sont impliqués, contrairement aux anciennes données qui sont de l'ordre de 76% environ. Nous avons donc euh, une situation de mariage d'enfants qui évolue positivement au Niger mais le mariage des enfants reste toujours une réalité. Il faut donc multiplier les efforts. Parmi les pistes de solutions préconisées par nos invités figure notamment la question du renforcement des sensibilisations, le renforcement de la communication entre les enfants et leurs parents, mais aussi l'engagement de tout le monde pour arriver à vaincre ce phénomène au bénéfice donc euh, des enfants et de la société tout entière. Nous remercions nos invités. Nous étions en compagnie de Madame Suleiman Ramotou Albadé, chef de division à la Direction de protection des droits de l'enfant, DPDE, au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Madame Thierry Falmata, femme actrice de la société civile nigérienne, membre de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, Kongafen, et Farida Mahaman, chef de projet au niveau de l'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger. Au micro, c'était Michel DG pour la présentation de ce forum. L'équipe technique est composée de Mustapha Ayouba et Séné Isaka. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.